Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Bienvenue dans Discussion Noyo. Donc là, c'est saison 2, épisode 11. Et nous sommes avec All Moon Fashion. Bienvenue. Hello, hello. <laughs> bah, du coup, je te remercie. Merci d'être là. Merci aussi aux auditeurs, auditrices euh, d'être présentes. Euh, donc l'occasion en fait de ce, euh, de, cette, de ce nouvel épisode, c'est du coup de parler de euh, cette marque que, euh, tu, as, que tu as inventé, enfin, que tu as créé du coup, que tu as fondé. Et euh, bah, on va rentrer dans l'art, hein, parce que comme c'est marqué All Moon Fashion, euh, pourquoi All Moon Fashion Comment c'est venu Ok. <coughs> Alors, euh, bah déjà, je vais me présenter un petit peu quand même avant. Avant d'en venir à All Moon Fashion, on va commencer par Mariana déjà. Bonjour Mariana. Euh... <laughs> Enchantée. Donc, je suis Mariana. Effectivement, la fondatrice euh, de Moon Fashion. Euh, Qu'est-ce que je peux dire vraiment J'ai 35 ans, <laughs> maman de deux enfants. Et, euh, et, en fait, All Moon Fashion, ça, ça vient d'une idée, euh, ça vient d'un complexe, ça vient d'un ras-le-bol euh, que j'ai eu au fur et à mesure euh, des années en grandissant. Et, et plus particulièrement justement en devenant, en devenant maman. Euh, alors, pour parler aussi un petit peu de moi encore, je suis grande et mince. Mmh. Donc jusque-là, on va se dire, bon, ok. Mannequin, euh, quoi. va bien, et alors Une mannequin, en fait. <laughs> euh, ça, moi, je, je le dis pas. Après, c'est aux autres d'en juger. Euh, moi, je vais juste dire que je suis grande et mince, et, euh, et ce, depuis toujours. Mmh. donc voilà, tout, quand on dit ça, en principe, les gens ils se disent, ouais, ok, bah super, mais t'as de la chance et tout, machin. Euh, sauf qu'en fait, euh, non, pas vraiment. Euh, en tout cas, pas de mon point de vue, parce que pour s'habiller, c'est une vraie galère. Et, euh, et, ce depuis toujours, parce que j'ai toujours été comme ça. Mmh. Euh, donc depuis quelques années, euh, la donne change un petit peu. Il y a mmh. des marques qui commencent à s'y mettre, notamment des marques étrangères. La France a un petit peu encore de, de mal. Euh, mais bon, ça, ça, ça, commence un petit peu euh, à se décanter. <clears throat> Donc du coup, euh, en fait, l'idée est arrivée euh, bah, il y a deux ans maintenant. Enfin non, il y a, y a quatre ans plutôt. <laughs> Parce que du coup, euh, la naissance, euh, un petit peu avant la naissance de ma première fille, où en fait, bah, j'ai commencé vraiment à en avoir ras-le-bol. Parce que impossible de m'habiller, impossible de trouver des vêtements que j'aime bien, Euh, j'avais carrément arrêté de faire les magasins parce que euh, ça, ça, désolé de l'expression, mais ça me saoulait vraiment. Mmh. Euh, donc en fait, euh, bah, dans mon armoire, j'ai des fois j'ai des vêtements qui datent de Mathusalem. Euh, donc voilà, un vrai, un vrai ras-le-bol. et un, pourquoi je disais un complexe tout à l'heure Parce que en fait, d'être comme ça, quand on est jeune, ça peut être très compliqué, surtout quand on a une fille. parce que j'ai toujours été plus grande que tout le monde. Et, euh, oui. et, donc du coup, bah, avec, euh, avec toutes les moqueries que ça peut, que ça peut engendrer, et donc du coup, euh, comme chacun sait, les complexes, ça vient jamais de soi, hein, ça vient toujours euh, de l'extérieur. Euh, donc du coup, voilà, donc euh, un, un, gros complexe depuis, depuis ma tendre enfance. bon, qui s'est estompé au fur et à mesure, hein, parce que bah, on prend de l'âge, on commence à s'affirmer, on a une meilleure estime de soi, un peu plus de confiance. Et du coup, un complexe en fait qui se transforme justement en ras-le-bol. Et, euh, et, donc, du coup, il y, a, bah, il, y a, il y, a, 4 ans, avant la naissance de ma fille, je me suis dit, non, mais euh, c'est pas possible. Euh, franchement, j'en ai marre, quoi. Et en fait, en parlant autour de moi un peu de, de ce ras-le-bol, souvent, parce que bon, entre filles, bah, c'est un peu les sujets. Hein, moi, je suis trop mince, moi, je suis trop grosse, moi, je suis trop On comme ci, moi, je suis trop comme ça. Enfin, voilà. <laughs> Chacune a ses petits problèmes. Mm -hmm. Et euh, du coup, voilà, je me suis dit, bah, en fait, effectivement, mais euh, quand on regarde bien, euh, la plupart des. Enfin, après, je, je, je suis désolée, hein, je me concentre sur les femmes. euh mais c'est pas un problème, moi, ça me va. Euh, je peux te concentrer sur les femmes, il euh, n'y a pas de souci. Euh, <laughs> les éternelles insatisfaites, comme on dit. donc, du coup, bah, on se rend compte que bah, beaucoup de femmes sont insatisfaites. Euh, de leurs vêtements, même celles qui arrivent, entre guillemets, à trouver, euh, à trouver des, des, vêtements dans les magasins, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ouais. Euh, donc, ouais. Comme je disais tout à l'heure, il bah, y en a euh, trop minces, trop grosses, trop de fesses, trop de hanches, trop de mollets, trop de bras, trop, voilà, trop ou pas <laughs> assez. Il y a toujours des trucs. Et, et, donc, du coup, je me suis dit, bah, ah, il faudrait euh, l'idéal. Enfin, je me disais, si j'avais si des sous, euh, bah, je me ferais mes propres vêtements. Et je dis si j'avais des sous parce que bah, je ne sais pas coudre, donc du coup euh, j'aurais pu me dire je couds mes propres vêtements, mais comme je ne sais pas coudre. Et, pour l'instant. Euh, pour l'instant peut-être, peut-être qu'après, euh, plus tard. Euh. Bon, j'ai pas, j'avoue, j'ai pas encore décidé de m'y mettre. <laughs> j'ai pas encore décidé de m'y mettre. Mais c'est vrai que c'est un peu venu comme ça. Je me suis dit, ouais, si, si j'avais des sous et tout, bah, je, je, me ferais des vêtements sur mesure, quoi. Comme ça, euh, dès que je vois un vêtement qui me plaît et tout, je me dis, allez hop, tiens, euh, je me fais faire ça et tout. Et je me disais, bah, en fait, ce serait top pour tout le monde. Mmh, ouais. ce serait euh, L'idée, ce serait vraiment génial que bah, tout le monde, finalement, puisse, euh, que le sur-mesure puisse devenir abordable, en fait. Parce que le, le sur-mesure existe, bien évidemment, sauf que bah, la majorité n'ont pas, euh, des gens n'ont pas les moyens pour ça. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est venu un peu comme ça. <clears throat> Donc euh, ce complexe et puis ce ras-le-bol, surtout. Donc ça, c'est pour le concept. Merci beaucoup. Et du coup, euh, moi, en fait, ce qui vraiment me, me, me frappe, du coup, c'est le, euh, c'est le créole. C'est la place du créole et même du, du, crang, du cranglish, comme on pourrait dire. <laughs> Euh, donc ce mélange de, de créole et euh, d'anglais euh, dans le nom de ta marque. c'est justement ça, du coup, comment c'est venu et pourquoi, en fait Pourquoi ce mélange de d'anglais et de créole Alors, bah parce que je suis antillaise, hein, tout, je vais dire le truc euh, un peu bateau, mais euh, ça vient de là tout simplement. Euh, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne, on va dire, euh, je spécifie d'origine guadeloupéenne, je suis née à Paris. <laughs> Euh, et en fait, euh, comment dire bah là aussi, j'ai eu <laughs> des complexes étant, étant jeune par rapport, par rapport au créole. Euh, parce que étant né à Paris, bon, bah, quand j'allais en vacances, euh, euh dès que je parlais euh, un petit peu créole avec mon accent français, bon, bah, voilà, quoi, c'était, c'était les rires et tout. Donc, bah, pendant très très longtemps, <coughs> bah, je parlais plus, je parlais plus créole du tout, en fait. J'ai toujours, j'ai toujours eu une très bonne compréhension. Ouais. mais je ne parlais pas, parce que mm je, je n'osais pas parler. Mm. Euh, Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai encore des difficultés, mais euh, je, je m'y mets quand même, je teste de temps en temps. Euh, et du coup, voilà, donc c'est venu comme ça. Je me suis dit, bon, si, si je crée une marque, une marque de vêtements, euh, moi j'ai envie, en fait, que ma, ma culture euh, se voit, soit visible euh, par rapport à ce que je fais. Ouais. Donc, bah, la première chose, c'est le nom. Euh, donc du coup, je me suis dit, bon voilà, moi j'ai envie d'une marque qui s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, le but de Moon Fashion, pour l'instant, ça commence par la femme, mais euh, on va dire dans, dans, un futur en 2050, il faut vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Donc les, euh, les, hommes ne seront pas laissés pour compte. Rassurez-vous, les voilà. hommes, vous ne serez voilà. pas laissés pour compte. <laughs> <laughs> et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon ben bah, voilà, il faut, il faut, euh, je me suis dit, et puis en même temps, ça permettra aussi aux gens de s'y intéresser, tout simplement, parce que tout le monde ne connaît pas euh, euh cette culture. Donc, du coup, euh, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, bon, ok, euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver Et en fait, Moon est venu assez naturellement, parce mm -hmm. que mm-hmm. en créole guadeloupéen, c'est ce qui ressort c'est moon Grand Moon, Vieux Moon. Ouais, Moon, la personne, quoi. Parce que pareil, en créole haïtien voilà, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup. Euh, pareil, un petit Moon, Grand Moon, euh, voilà, c'est un tout Mounio. C'est, oui. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est Moon, c'est la personne, c'est le peuple, c'est le monde, c'est. Voilà. Donc mm -hmm. Et c'est exactement, en fait, ce que, ce que, ce que je voulais que, <clears throat> que la marque traduise. Donc au début, bah, c'était Moon, tout court. Ouais. Et euh, ça, on, et va, après, on va directement au sujet, quoi. Moon, c'est voilà. <laughs> <laughs> Exactement. Et du coup, euh, alors, com comment j'ai euh, la suite ça, En fait, il y, y, avait aussi le Moon, le fait que ça ressemble justement un peu à l'anglais. Parce que, euh, bon, moi, je, je, souhaite créer une marque, je veux qu'elle se développe. Mm -hmm. donc, du coup, faut Madame est ambitieuse, quoi. Retenez ça. Madame donc, est euh, ambitieuse. oui, bah, il faut, il faut. <laughs> il faut. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, Moon, ok, ça ressemble à un mot qui est anglais, sauf que les anglophones n'ont pas cette prononciation. C'est-à-dire que mm -hmm. quand mhm. ils vont lire au UN, ils vont pas forcément dire Moon. Ouais. Euh, même, même, si la, même si cette prononciation existe chez eux. <coughs> ah, mais ce serait plutôt Moon ou un truc comme ça, quoi. Ouais, moon. Euh, voilà. Mm. Oui, voilà, comme euh, Mountain. Euh. Donc, du coup, bah, pareil, j'ai commencé à me dire, OK, alors qu'est-ce qu'on peut. Euh, après, j'ai dit, bon, tout Moon, parce que justement, je me disais. Parce qu'à un moment, j'ai hésité justement Moon. Après, j'ai pensé à People. Euh, People mm -hmm. existait déjà, d'ailleurs. Ouais. Euh, et du coup, je me suis dit, voilà, en créole, on peut dire tout le monde pour parler vraiment de tout le monde. Oui, tout à fait. Et après, donc c'est là que le hall est arrivé. <laughs> donc ça s'est transformé en hall moon. Donc ok, bon, j'étais, euh, j'étais, ça est moi dans ma tête, c'était bon. C'était bon et en fait, euh, avec une amie en fait qui m'a fait ouvrir euh, tout ce qui est euh, <laughs> réseaux sociaux, enfin le Facebook, Instagram, c'est elle qui m'a aidé à les créer au début. Et, euh, et, en fait, on avait tapé All Moon et il y a quelque chose qui existait déjà. Et ça m'embêtait de mettre un All Moon 425, euh, euh, je sais pas quoi. Et du coup, elle m'a dit, bah, c'est pas très comme sexy, une effectivement. Marque... <laughs> Oui, voilà, ça gâche un peu le truc, quoi. <laughs> et du coup, elle m'a dit, bah, écoute, comme c'est une marque de vêtements, et si on mettait fashion derrière Comme ça, au moins, on sait tout de suite de quoi on parle. Mm. Et euh, bah voilà, c'est parti de là. All Moon Fashion euh, a créé ses réseaux. <laughs> et, euh, et, puis c'est resté. Il se fait connaître, et Du coup, euh, voilà. Bah maintenant, on essaye de, voilà, de vraiment de se faire connaître, de créer une communauté. Euh, bon, parce que l'idée, elle est là de, il y a 4 ans. Ouais. Mais j'ai vraiment commencé, on peut dire, en 2020. Euh, il y, y, a eu plusieurs étapes. Il y, eu euh, <clears throat> y, a eu un gros échec qui m'a fait, euh, qui m'a fait presque abandonner. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est que euh, on, on, apprend en fait. C'est des, des, occasions d'apprendre et de progresser. Il n'y a pas d'échec. Oui, effectivement, effectivement. Je, je simplifie, mais c'est vrai. <laughs> je simplifie, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je disais euh, que j'ai presque abandonné. Parce que sur le coup, c'est vrai que j'étais dépité et tout. Et euh, je me suis dit, bon, bah, apparemment, c'est pas pour moi. Et, euh, et ma deuxième fille m'a donné des forces. Oh. <laughs> du coup, ma deuxième fille est arrivée et, euh, et elle m'a donné des forces. M'a donné des forces parce que ben voilà, j'ai deux filles et je me dis vu, vu le calvaire que c'est pour moi aujourd'hui, euh, voilà, si je peux leur éviter ça, euh, ma foi, je, je, vais au bout. Et euh, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire bah, déjà dans le fait de s'habiller, hein, tout, tout, simplement, mais aussi sur le fait d'aller au bout des choses. Euh, je veux montrer à mes filles que bah, j'ai pu aller jusqu'au bout d'un projet, après ça capote ou pas, mais au moins j'ai été au bout. Mm. Euh, donc c'est ce que je veux leur inculquer, d'aller au bout de leurs rêves, de faire ce qu'elles ont envie de faire, mais surtout vraiment voilà, d'aller jusqu'au bout. En tout cas, ouais, c'est un, vraiment c'est un bel exemple pour tes filles, parce qu'effectivement, il y a de l'exemple entrepreneurial, mais il y a aussi, euh, du coup, euh, cette, cette, place que tu mets au créoles, du coup, dans, dans leur vie, là, par, euh, par ta marque. Mais euh, je reviens sur euh, le fait que tu disais que tu ne parles pas créole aujourd'hui. Je crois bien qu'à tes filles, tu parles un peu créole, ou du moins, tu leur, euh, tu leur lis des histoires, ou tu leur chantes des chansons, si je ne me trompe pas. ah Oui. Ouais, je te vends, hein. je vends la mèche, je vends la mèche, on est là pour ça. bien sûr. Bah, effectivement, comme je disais, bon, étant, étant jeune, j'avais beaucoup de complexes par rapport à ça. <clears throat> euh, petit à petit, ça s'est amélioré. Euh, j'ai eu des, des, on va dire, des prises de conscience. Mm -hmm. euh, bah déjà, euh, j'ai passé six mois à Glasgow pour, pour améliorer mon anglais. Ouais. Et, euh, et, en fait, en étant à Glasgow, je me suis dit, euh, bah attends Marina, c'est pas possible, tu parles mieux anglais que créole. qui, est à Londres. Quoi. La même révélation. Et, <laughs> voilà, et là, <laughs> c'est pas possible. Euh, <laughs> au bout d'un moment, non, faut, non, y a, non ça ça va pas. Et, euh, et, je me rappelle que justement, bah, pendant que j'étais à Glasgow, mon père est venu me voir et je lui ai dit mm -hmm. ça. Mm-hmm. je lui ai dit, papa, euh, ça va pas, quoi. Je lui ai dit, là, je me rends compte, je, je, je parle français, qui est ma langue en soi, je parle anglais, et je parle pas créole. Ouais. et ça me va pas. <laughs> on Donc, fait quoi euh, On fait comment Je lui ai dit, euh, faut que tu fasses quelque chose. <laughs> Mais en fait, quand je lui ai dit, faut que tu fasses quelque chose, je me parlais à moi-même. Parce que euh, c'est sûr que c'est pas mon père euh, qui va. Euh, donc, euh, surtout que lui, c'est un fervent défenseur du créole. Il va toujours parler en créole. Il va parler à n'importe qui en créole. Que tu comprennes ou pas, c'est pas, pas, son problème. <laughs> tu vas voilà. te débrouiller. Donc, <laughs> voilà. <laughs> voilà. Donc, du coup, euh, mais voilà, c'était une sorte de, de soutien surtout. Euh, mais ça n'a pas été euh, voilà ça a pas été le plus gros c'est à dire que voilà j'ai dit ça et tout à ce moment là et puis ben euh, on va dire que l'idée m'a un peu échappé ouais. Et, euh, et c'est après, ben voilà, quand, quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit euh, non, là, c'est pas possible. Je veux que ma fille parle créole, je veux qu'elle n'ait pas les mêmes complexes que moi j'ai eu, je veux mmh. qu'elle soit tout à fait libre euh, de parler, de se sentir à l'aise quand elle parle, quel est l'accent ou pas l'accent, on s'en moque. Ah, génial, j'adore. Ça fait partie de sa culture, ça fait partie d'elle-même. Je, ouais. je, veux, <laughs> c'est une obligation pour moi, je veux que ma fille parle en créole. Je veux et j'exige. <laughs> je veux et j'exige, tout à fait. Et, Le euh, mot et génial. Je me suis dit, mais, mais comment je peux exiger sa d'elle si moi-même je ne parle pas mm -hmm. Donc voilà, obligé, obligé. Donc, euh, du coup, bon, bah, après la naissance de ma fille, bon, forcément, les bouquins, les trucs, ça, j'ai aucun problème. Je, je, peux, je sais lire en créole, euh, donc ça me pose pas de soucis. Ma fille, elle a des, elle a des livres en créole. Là, d'ailleurs, il faut que je lui achète un, j'ai repéré un, un, imagier euh, français créole anglais. Ouais. <laughs> Oh, toujours. qu'il faut, faut, que j'achète. Et, euh, et du coup, bah, la musique, bien évidemment. <clears throat> euh, les, à la maison, euh, bah, on écoute essentiellement, un peu moins euh, ces temps-ci d'ailleurs. Mais au, dé, au, tout début, j'étais vraiment à fond. Donc, euh, c'était impossible qu'elle écoute une chanson en français, quoi les frères Jacques et les souris vertes, il euh, n'y avait pas de ça à la maison en fait. <laughs> <laughs> je me suis dit, ça, de toute façon, elle aura ça à l'école en boucle. Euh, je me suis dit, c'est bon. Euh, on passe à la suite, quoi. C'est bon, <laughs> on a compris. Allez. Voilà, c'est bon. <laughs> Donc, euh, voilà, elle avait, elle avait le droit, je la bassinais euh, avec ça. euh que ce soit à la maison, dans la voiture, enfin, euh, elle avait que, que, que des sons. euh, euh <clears throat> de chez nous, quand je parle de chez nous, je parle vraiment de, de manière culturelle, hein, pas que de la Guadeloupe. Euh, et du coup, voilà, après, il y a, y, a, y a, moi, personnellement. Euh, bah pareil, au début, bah, je commençais aussi à lui parler en anglais, parce que je veux aussi que ma fille parle anglais. Pardon. Euh, donc, donc, donc voilà les trilingues, quoi. En anglais, je lui parlais en anglais. Tes filles sont trilingues, quoi, c'est ça euh, Elles ne sont pas encore, mais euh, elles, sont, euh, elles sont bien parties. Elles okay. sont bien parties. Ça va. Elles sont bien parties. Ça va, ça va. <laughs> elles sont bien parties. Non, la grande, elle commence à, elle commence à bien gérer. Elle commence à bien gérer, donc euh, on, veut, on, veut, rester sur ça. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment un désir profond. En tout cas, c'est génial euh, parce que au moins, c'est, elle, elle, est dans un univers où elle a pas peur, elle a pas peur de parler en fait, et de un, un univers comme ça multilingue, elle peut du coup, euh, bah, elle habitue son oreille, euh, elle n'est pas que sur une seule langue, et, euh, et, même elle a le droit d'essayer, qu'importe l'accent qu'elle puisse avoir. elle peut essayer bah, du coup le créole, l'anglais, le, le, français, euh, et puis elle a aucun ah problème oui. pour s'exprimer. Ah, complètement, complètement. Et justement, je me dis, bon, de toute façon, enfin, les enfants, c'est des éponges euh, quand ils sont petits, donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Et euh, comme je dis, moi, c'est mon. Enfin, voilà, je, je c'est vraiment dans ma tête. Je me dis, faut, faut pas qu'elle qu soit comme moi. <laughs> dans un non. Sens. Donc je me dis, bon, ma fille, c'est pas moi. On euh, est tout à mm. fait d'accord, elle a son caractère, c'est une personne à part entière. Euh, mais après, voilà, moi, en tant que maman, <clears throat> ben, j'ai toujours cette crainte. Euh, donc du coup, je, je, je, fais tout pour que, pour que voilà, qu'elle soit à l'aise, que... Enfin, limite, euh, je me dis, si on, si on part en Guadeloupe et il y a quelqu'un qui commence à se moquer d'elle, je le prends en aparté, je dis, hé, hey, <laughs> tu te bien <laughs> Et tu le défonces. ok. J'exagère, mais, <laughs> mais limite. Et franchement, c'est une bonne attitude à avoir en fait, parce qu'il euh, y a besoin de ça. On a besoin vraiment euh, d'avoir une euh, personne bienveillante, d'avoir une atmosphère bienveillante, et c'est pas grave si on fait quelques, quelques erreurs de prononciation, même euh, de, de grammaire. Euh, L'important c'est d'abord d'essayer et ensuite on peut progresser. On va progresser par rapport euh, du coup à l'intérêt qu'on va y mettre. Mais si dès le départ on se fait effectivement bah, rembarrés par quelqu'un ou que quelqu'un nous, se moque de nous, euh, c'est vraiment dommage, quoi. Alors que, bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours pensé à mal, mais euh, oui, il faut vraiment, euh, enfin, c'est vraiment important d'avoir comme ça une, une atmosphère euh bienveillante pour pouvoir progresser, quoi. Donc euh, vraiment, ah. bravo. Franchement, moi, je, je, suis contente pour ta, pour ta, pour tes filles, du coup. Je suis vraiment contente pour elles, parce que du coup, euh bah, c'est bien qu'elles aient une, une, atmosphère comme ça aussi, aussi bienveillante, quoi. Donc, euh... Et tu la chantes quoi comme chanson Je fais de mon mieux. Enfin, nous faisons de notre mieux parce que je ne suis pas seule. <laughs> non, non, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Euh... <laughs> non, on va avoir des problèmes. Non, non, ah, je non, sais. Je vais, je vais, vais pas prendre le, tout le mérite. Non, non, nous faisons de notre mieux. Et en tout cas, euh... après, ça, ça m'aide aussi euh, personnellement. Parce ouais. que justement, bah, moi, je suis, je suis forcée je suis obligée de, de m'y mettre. Mm -hmm. du coup, ça, ça casse un peu des barrières. Euh, ouais. Parce que bah, ma fille, quand je lui parle, elle est super contente. Euh, bah, c'est sûr qu'elle va pas me dire euh, oui mais maman qu'est-ce que tu dis mais comment tu parles euh, non enfin elle est super contente elle répète euh, ouais le côté jeu bah, quoi parle en français et puis elle va me sortir une phrase en créole comme ça enfin euh, où elle va se mettre à chanter oh, c'est génial un truc que j'adore oh. un trucs que j'adore de ouais. ma fille elle adore chanter ouais. <laughs> déjà de base <laughs> mais alors quand elle me chante un son en créole Je me dis, oh là là. Ah, moi, je fonds. <laughs> moi, je fonds. Enfin, mes neveux, ils chantent en créole, mes neveux, mes petites cousines chantent en créole, mais je kiffe. C'est, euh, je fonds, mais. Euh, voilà. Ah oui, non, mais. Euh, en fait, c'est, le côté bah, spontané. Ouais. Je me dis, bah, des fois, ça, ça, sort de nulle part. Elle arrive et puis hop, elle mm -hmm. se met à mhm. chanter. Et je trouve ouais. ça vraiment extraordinaire. ah et vraiment ce, que, ouais, voilà, ce côté spontané et puis le plaisir. Moi, franchement, quand je vois euh, mes petites cousines qui vont euh, soit euh, lire du créole, et euh, des petites comptines, même de lire des extraits de mes poèmes, de, de ce que j'ai pu écrire, qui vont les lire, qui vont essayer et euh, qui vont prendre du plaisir même euh, à, à, à, jouer avec ça, ou euh, que ce soit les textes ou même encore les devinettes quand je vois leur sourire sur leur visage et leur petite voix, mais je kiffe, <laughs> je kiffe de ouf. bah pareil, pareil. <laughs> bon, la lecture ça viendra, mais euh, mais en tout cas, ouais, juste le fait euh, qu'elles me sortent comme ça, des mots, des petites phrases, mmh. qu'elles se mettent à chanter et tout, euh moi, j'adore, enfin, je demande que ça, en fait. Ouais. C'est aussi simple, je, je, demande que ça. Je j'ai rien contre les autres cultures et tout, mais voilà, enfin... Euh, bah. Sa culture, c'est le créole avant tout. Oui, mais après, <laughs> c'est pas, euh... pas avoir quelque chose contre les autres cultures, c'est que euh, c'est d'abord embrasser qui on est, Et euh, c'est tout, tout, patrimoine en fait qui se, euh, qui, tout patrimoine qu'on a, qui se, euh, qui se, qui se perpétue au final, parce que euh, ça veut dire que quand, quand, elle peut chanter comme ça des petites chansons en créole, bah elle peut y chanter avec sa mamie, avec ses mamies par exemple. Elle peut chanter avec ses mamies, ouais. Euh, quand elle va avoir de la famille, quoi que ce soit, ils peuvent échanger. Enfin, moi quand je vois mes, mes, euh, mes neveux et mes, et mes petites cousines qui vont ressortir des devinettes, ou vont, quand on leur dit Tim Tim, qui répondent bois sec, euh, en cœur, avec des, euh, avec des sourires euh, jusqu'aux oreilles, ou même qui vont défier les plus grands. je me dis, mais c'est génial, en termes de filiation et de patrimoine, mais là, on est au top. <laughs> on est au top. Ah bah oui, clairement. Et puis là, bah, c'est Noël. Ouais. Faut pas oublier. Mmh, les chanter Noël. <laughs> tous les... Chanter Noël. Bah oui, tous les chanter Noël et tout ça. Enfin, ouais, ma fille, elle adore ça. parce on essaye de la baigner dedans de, depuis que. Enfin, mes filles adorent ça, parce que bon, mm -hmm. elle, mhm. la deuxième est encore petite, donc elle peut pas encore s'exprimer, euh... enfin, elle peut pas encore parler, je dirais, parce qu'elle s'exprime, bien évidemment. <laughs> elle se euh... fait entendre. <laughs> voilà, elle s'exprime à sa manière, mais elle s'exprime. <laughs> euh, mais du coup, oui, euh, enfin voilà, on voit que les deux, ils euh, adorent quand je vais, euh, quand on met les sons de Noël à la maison, dans la mhm. voiture, enfin voilà. le corps il se met à bouger, la tête aussi. Euh, celle qui peut chanter chante. <laughs> et l'hôtel, et l'hôtel Babi pour l'instant. <laughs> non, en tout cas, franchement, ça, ça, je trouve ça aussi génial parce que euh, ça me fait toujours penser à cette anecdote euh, que je vois plusieurs fois euh, chez moi. C'est euh, quand on met du en eau On met en eau par exemple, CSO, euh, c'est un son que j'aime bien mettre et euh, que du coup, bah, mes, même mes, mes neveux vont demander. Ils vont dire euh, Ouais, tata, je euh, peux mettre sa, sa so, euh, de Timano, mets de Timano, s'il te plaît, et tout. Et euh, ah. du coup, ils kiffent euh, la chanson. Ça bouge bien, 500 carnaval. Et puis, euh, bon, bah, ils l'ont mis plein de fois à la maison. Mais il y a eu des fois comme ça où bah, on est avec ma mère, donc leur grand-mère, euh mon frère, sa femme, voilà, on est tous là. Et puis, euh, on, on, danse, on chante sur Timano, quoi. On prend du plaisir, tout ça. Et euh, partager un moment aussi simple, en fait. ehm mais du coup, euh, c'est te... tellement bon, c'est jouissif. Euh, je comprends, je vois trop ce que tu, ce que tu vis, quoi. Euh, c'est génial. Ah oui, oui clairement. Bah, les, ouais, les, moments en famille comme ça, euh, surtout, bah, on se dit, <clears throat> des fois, on se dit, bon, on est, on est loin de, on est loin de la Guadeloupe, on est loin d'Haïti, ouais. on est loin de la Guyane, enfin, peu importe. Mm. Euh, mais après, voilà, on n'est pas obligé d'être sur les lieux. pour, euh, pour avoir exploré sa, sa propre culture. Voilà. Euh, Donc là, tu reprends le nom, le slogan d'un voyage local. Merci, c'est gentil. Voyage local, quelques mots et le voyage commence. Tu es gentil. <laughs> quelques mots. Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Rien n'est bon dans l'excès, même les coups de <laughs> Non, mais en plus, c'est, clair, parce qu'en fait, euh, c'est tellement bon, et comme tu l'as dit plusieurs fois, euh, ça parfume tellement bien les repas. Mais il y a aussi toutes les applications qu'il y a, en fait. Les clous de girofle, dans la médecine feuille, euh, c'est très utilisé comme euh, anti, euh, anti-inflammatoire, je crois. il y a plein d'applications, en fait, dans la médecine par les plantes. Et, euh, et ça, je l'ai, j'ai redécouvert, notamment dans un, dans un guide qui s'appelle Côté forme, pas joint d'octet, guide Santé pour forme. Il y a un petit chapitre, en fait, sur la médecine feuille. et euh, qui est archi bien fait. Et euh, donc, d'où le coup de girafe que j'ai redécouvert comme ça. Et j'allais te dire aussi. Euh, bah, c'est. Euh, et ouais, ah, ça fait des pensées. Pour, les, pour les dents, justement, ouais. pour les bébés. Mmh. Ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais, effectivement, j'avais vu ça. Et il y avait un autre truc aussi, ça me faisait penser ce que tu disais là de ne pas, de, de pas faire d'excès avec le Claude Girofle. C'est que ça me faisait penser à, à, des trucs, à des trucs que je voyais aussi sur, euh, sur Twitter. des gens qui, euh, qui disaient, ouais, bah, euh, allez, enfin, bah, qui, qui, qui s'envoyaient des jurons un peu. Et il y en a qui disaient, ouais, vas-y, euh, va, va, boire un, va, va boire un godet de, de girofle. <laughs> Ah ouais, je connaissais pas ça. <laughs> non, sur Twitter, Twitter, sur Twitter, les gens ils sont trop fous. C'est pour, pour, cal pour, calmer ta bouche un peu. Mais c'est ça <laughs> genou, on dirait, il a vu le bouche à oué savon. les clous de girafe, pourquoi pas Elle ah, boit un goût de girafe. <laughs> Non, je vois trop, sur, sur, Twitter, franchement, les, les, gens, ils me font trop rire. Je vois trop des, euh, des phrases, des expressions euh, qui, euh, du coup, bah, c'est pas. Enfin, c'est pas, c'est pas les proverbes, c'est pas toujours les proverbes, mais des expressions comme ça qui sont sorties, soit des phrases que les gens ont inventées ou des expressions, des expressions du coup idiomatiques quoi. Et euh, oui. Oh. c'est comme euh, ouais, euh, enfin euh, c'est une fois c'était ouais by de boîte aux vacances parce que euh, c'était euh, oui le gars il voulait parler pour rien dire et du coup ouais non mais bon t'as rien compris by de boîte aux vacances quoi. Oui. Hmm. <laughs> Mais non, mais là, en tout cas, le truc du girofle, là, moi, j'avais tellement, ça m'avait tellement fait rire. Mais bon, en tout cas, euh, ouais, voilà, enfin, c'est... Euh, c'est le côté de pouvoir... Euh, enfin, il y a le voyage par, euh, par effectivement les, les mots, mais il y a aussi bah, toutes les associations qu'on va faire par le, par le goût, en fait, par, les, par tous les sens. C'est pas que le ouais. voyage, du coup, dans le pays et... Euh, et puis, euh, bah, on, peut se, on peut se familiariser avec notre patrimoine grâce euh, du coup à, à, ce qui peut être à côté de nous, quoi. Même parce qu'on, comme on l'a dit, parce qu'on consomme en fait dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Bah, et, du coup, pour en revenir vraiment en, en, au créole, euh, du coup, la langue, ouais. euh, bah, on se rend compte que, enfin, parfois, après, euh, c'est pas partout et pas tout le monde, bien sûr, euh, mais il y a des personnes, en fait, en tout cas, je sais, pour la Guadeloupe, mm -hmm. qui parlent plus créole quand ils sont en France que quand ils sont en Guadeloupe. Ah, non, non, non. pardon, il faut recommencer ça, pour moi. Ah oui, non, ben, non. ben oui, justement. J'ai bugué là. Euh, Pas ah <laughs> bugué, mais c'est vrai. <laughs> Parce que, mine de rien, ne l'oublions pas, euh, c'est que, en tout cas en, en Guadeloupe, après je, je préfère m'abstenir sur la Guadeloupe parce que c'est ce que je connais de mieux, mm -hmm. euh, mais je sais qu'il n'y a pas que en Guadeloupe que ça se passe comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, les enfants n'avaient pas le droit de parler créole. Il faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, donc après, la, la, culture, la langue, c'est quand même entre guillemets propagé, si je peux le dire comme ça, mm -hmm. euh, parce que ben entre amis, euh, euh, on va toujours parler en créole, mais on ne parlait pas en créole à ses parents. Ouais. Et, euh, et jusqu'à maintenant, ça se fait. C'est pas, c'est pas, on va dire, c'est pas une histoire classée. ça se fait toujours. moi, je, bon, j'ai, mes complexes de petite fille. <clears throat> Mais en fait, même si je parlais créole, même si euh, euh, je n'avais pas eu tous ces complexes et, et que je parlais créole, insidieusement, je n'aurais pas parlé créole à mes parents. Ah ouais Parce que, mais... bah, c'était. Ouais. Mais attends, mais tes euh... parents ne te faisaient pas faire des cours de créole Comment Ton père, il t'avait pas inscrit à des cours de créole ou de même à des dictées créoles Je sais plus, des trucs comme ça avait... Non, on avait, ouais, on avait fait, euh, on avait fait des dictées parce qu'il était dans, euh, enfin, euh, il était dans une association euh, euh, à l'époque et il a beaucoup ouais. d'amis qui sont, qui militent pour pour le créole et on a eu l'occasion pendant des, des, ouais, je crois que c'était pendant le mois créole, je me souviens même plus, mais effectivement, on a eu l'occasion de participer ouais. à des dictées créoles. Donc, comme mm -hmm. je mhm. dis, mon père, il a toujours parlé créole entre guillemets, lui, m'a jamais empêché Euh, comme je dis, les complexes, ils venaient, ils venaient de moi. Mon père ne m'a ah. jamais empêché de, de, parler créole, ma mère non, ma mère non plus. Ouais, Mais, euh, comment dire C'est-à-dire par l'environnement euh, familial, mm -hmm. bah, du coup, je. je je j'aurais jamais en fait entre guillemets tenu une conversation c'est-à-dire mes parents ils m'ont toujours parlé en créole moi ouais. j'ai toujours répondu en français mm. et en fait ça se, ça se fait beaucoup jusqu'à maintenant des, des, des, des personnes qui ont mon âge dans leur famille, c'est comme ça. Leurs parents leur parlent en créole, mais ouais. eux, ils parlent en créole avec leurs amis dehors, ouais. mais pas chez eux. <laughs> et du coup, euh, et, et, du coup, ça arrive justement encore. Euh, c'est pour ça que je dis encore aujourd'hui, euh, parce que voilà, j'ai la trentaine. Mm -hmm. <clears throat> donc j'ai déjà un certain âge, sans être, sans être euh, euh, mais je, je, reste encore jeune, on va dire. Et du coup, il bah, y, a, y a, oui, des personnes quand elles sont en Guadeloupe, elles sont avec leur famille et tout ça, donc en fait, elles, elles parlent créole, certes, mais à l'extérieur de, de, leur famille, donc avec leurs amis et tout ça. Ouais. <clears throat> Et en fait, bah, pour les générations qui viennent ici, parce que ça, ça continue, hein, c'est pas encore fini. Euh, <laughs> ah non, il y a du chemin à faire. Quitte, hein. ouais, y a du chemin on que... quitte la Guadeloupe pour venir en France, hein, c'est toujours pas fini cette affaire-là, mais ouais. bon, ça c'est un autre sujet. Euh, mais donc du coup, il bah, y en a, c'est quand ils viennent en France, c'est pas qu'il parle le créole, il, il, le parlait déjà, mais il le parle plus. D'accord. Du coup, il, retrou il retrouve euh, les personnes de leur communauté, mm -hmm. que ce soit Guadeloupe ou autre. Je parle, là, du coup, euh, je parle de tous les créolophones. Euh, donc du coup, ils vont arriver et ils vont parler créole avec tout le monde. Alors que quand ils étaient en Guadeloupe avec leur famille, ils parlaient plutôt français. D'accord. Ah ouais, le côté, il n'y a pas de frein, quoi. Ils n'ont plus de frein, en fait. Euh, ils ont plus de frein, en fait, où ils sont leur, avec leurs amis. Et du coup, euh, voilà. ils parlent, euh, parlent créole, quoi. Ah ouais. Voilà. Non, en plus, c'est vrai. Enfin, quand on y repense, voilà. parce que c'est vrai que même à l'école, pour l'instant, euh, à l'école française, le créole est reconnu de, depuis... C'est très récent, en fait. La reconnaissance au bac, de la possibilité de passer le créole au bac, c'est récent, ça reste récent. Et même à la maternelle encore, il n'y a que à la réunion où on commence à se dire qu'il faut faire l'école d'abord en créole, parce que c'est la langue qui est parlée euh, du coup dans la famille, et euh, pour ensuite après euh, amener, euh, ajouter le français euh, dans, le, dans le cursus scolaire. Quoi. Donc c'est vrai que la question de la langue maternelle et de l'utilisation notamment du créole euh, en France, Et euh, ton corps est assez. Euh, enfin, toi, en France, et territoire euh, du coup d'outre-mer et territoire, territoire et département d'outre-mer, c'est encore, c'est encore du chemin à faire, quoi. Ah effectivement. Ah bah oui, c'est effectivement, c'est <coughs> pardon, c'est c'est enfin c'est un, un, gros sujet. Ouais, non, mais en tout cas, tu <laughs> m'as, tu m'as bien scotché là. C'est un gros sujet. <laughs> Et, tu m'as scotché. Et pas, et pas <laughs> que, euh, que la, fin, parce que là, on parle beaucoup du parler finalement. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi l'écriture, il y a aussi la lecture. Ouais. Et euh, je sais que ma, mes parents, par exemple, bah, ils savent lire, mais c'est vite fait. Ouais, après, c'est pareil, c'est la pratique, parlent, en fait. Ils parlent, ils parlent très bien, ouais. mais euh, je lis beaucoup mieux qu'eux. <laughs> Donc, ouais. du coup, ils ah, parlent, ah, parce ils que c'est... mais je, je, lis, je, lis, beaucoup mieux qu'eux. Mmh, j'ai euh, eu ça aussi, ouais. Après, il y a, y a, des personnes qui sont, qui sont aussi mal à l'aise euh, avec le créole. Bon, moi, j'ai eu mes complexes euh, je disais parce qu'il y a eu les moqueries, les railleries et tout ça. Il y a, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont, dans, qui sont dans le même cas, dans le même cas que moi, pardon. Trop... Et après, il y a aussi le. Comment dire euh, le, le, le, le, complexe, mais pas par, rapport, euh, pas par rapport à la famille, aux parents, mais par rapport même à l'extérieur. Mmh. Euh, C'est-à-dire que limite, justement, bah, on arrive devant un Français, bah, on a presque honte de lui parler en créole ou de dire qu'on sait parler créole ou quoi ou quest de nous. C'est comme si un, un, il Et euh, il a un problème avec son accent d'américain où il veut pas parler anglais parce qu'il est en France. Euh, il y a encore ouais. des gens qui, qui ont, euh, qui ont quand même cette, euh, cet état d'esprit. Euh, donc, donc en fait, il y, y, a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup, de manières sujets, différentes fait, de le voir, de... ouais. Mais euh, quand on voit d'abord, enfin moi je vois aussi le fait, parce que c'est vrai ce que tu dis, et euh, c'est aussi parce que c'est aussi, il y a beaucoup de manières, de, comment, ça dépend aussi de comment on aborde les choses aussi, je pense, parce que Euh, si on veut forcément imposer en disant qu'on est mieux que tout le monde, ou si on a quelqu'un qui veut, euh, on va entrer dans un rapport de force, on va pas forcément être à l'aise, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire, c'est pas forcément la démarche à avoir. Même aussi des personnes aussi qui vont prendre de haut, quoi. Parce que même là, je vois euh, bah, le, euh, le compte euh, que j'avais écrit l'an dernier, après, je me suis mise à le partager, en fait, à, le, à faire des petits ateliers, à le lire euh, auprès de publics qui ne sont pas du tout créolophones. Et ils se sont pris au jeu. Et là, des fois, ça euh, arrivait une première fois, enfin, dans les premières fois, il y en avait, euh, j'ai pas trop remarqué, mais on me l'a dit par la suite. Euh, c'était un groupe de mamans avec leurs enfants dans un centre d'animation. Euh, au début, elle regardait de travers un peu. Elle, elle se demandait mais qu'est-ce que c'est que ça Comment, elle parle, comment ça se fait qu'elle parle tout le temps en créole euh, Non, non. Et, euh, et, après, ben, à force qu'il y ait des devinettes, qu'il y ait des petites comptines, que ça fasse participer tout le monde, les enfants comme les plus grands, que tout le monde puisse essayer, bah, tout le monde s'est pris au jeu. Et moi, je t'avoue que j'ai même pas remarqué réellement qu'il y avait des gens qui, étaient, qui, se, qui au début, étaient y avaient un peu d'appréhension en fait. Tout le monde s'est pris au jeu, vraiment, tout le, monde a, tout le monde a essayé, tout le monde, tout le monde répondait aux devinettes, tout le monde essayait. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas, pour le coup, j'avais pas du tout vu les appréhensions qu'il y avait au départ. Quoi. C'est vraiment passé euh, super vite. Ouais. <coughs> oui, après, effectivement, c'est, toujours, euh, comme, tu dis, euh, comme tu le dis bien, Euh, la manière d'aborder les choses, d'intégrer de, de, les personnes aussi. Mm-hmm. Euh, parce que chacun, chacun a sa culture, après on ne va pas l'imposer aux autres. Euh, c'est euh, pour ah, ah, si si moi j'impose le créole ah si ma moi, moi, impose le créole moi même si on n'a pas le avec moi même pas quitter mon pas pas le oh, oh, pas faire ça imposer oui <laughs> pa empeshe ou pale kriol la, ou pe pale kriol, jan ou ve, kon ou ve, le ou ve. Me, pa, ne pa, je sais pas comment... En fait, il faut, faut, une démarche positive. Je pense que ouais, c'est ça, c'est le côté de partager. Moi, je trouve que le fait de partager et de se dire que, euh, en fait, c'est qu'on on amène quelque chose, mais euh, c'est le côté positif. C'est juste le partage, un partage positif. C'est pas simplement de, euh, de dire ouais, mon, mon, truc il est mieux que le tien ou que ce soit. Non, c'est que euh, on a un patrimoine, il a sa valeur, et puis bah pourquoi pas quoi. Voilà, je te partage un peu un petit bout de moi. Oui. Et, euh, voilà. et, puis euh, si tu veux, c'est là. Fière, sinon, donc, euh, euh, si ça t'intéresse, voilà. Ouais, c'est à dispo et puis euh, voilà. Enfin, parce que tu prends ou tu prends pas. Ouais, non mais et puis c'est et puis c'est simple et puis c'est je vois vraiment comme ça et, et je me dis enfin c'est ça c'est que Euh, on a un patrimoine euh, déjà filial, enfin identitaire, filial, et euh, c'est une bonne chose de l'embrasser. Mais comme tu disais tout à l'heure, hein, franchement, moi aujourd'hui, même si j'étudie le créole haïtien, je parle toujours beaucoup mieux anglais que je ne parle créole haïtien. On va pas se mentir. C'est euh, que. C'est. Euh, j'ai étudié le créole, mais quoi qu'il en soit, je reste ouverte euh, du coup à, bah, à, ce qui se passe ailleurs. Euh, je kiffe toujours partir euh, tous les ans à Londres, même si bon, le Covid euh, cette année en 2020 euh, nous a fait un peu de mal. <laughs> Et, ça, euh, <laughs> en termes de voyage, euh, on va voyager local. Hein <laughs> voyage en local, quoi. ah oui, voilà, pour le coup, on va rester local, local. mais, mais, voilà, c'est en tout cas en termes de, de patrimoine, vraiment, moi je vois vraiment côté le patrimoine, et de se dire que, qu'on partage quelque chose de positif, bah, euh, c'est que ça, comme ça sert aussi aux autres. Moi, je vois, je vois vraiment le, le retour que, que ça a, en fait, euh, bah, autant pour moi, ou même que pour mes, que pour mes neveux, euh, mes, mes, petites cousines, enfin, mon, ma, mon, neveu, ma nièce, mes petites cousines, même les plus grands aussi, qui, du coup, pouvaient se retrouver un peu détachés euh, de notre culture, de nos cultures, et, euh, qui, et qui, maintenant, grâce au créole, bah, c'est le moment en fait de vraiment de se réunir, euh, de, de, de, de, jouer, vraiment de jouer de façon très simple, euh, d'avoir, de casser un peu les barrières par rapport à l'âge, même les barrières qu'il pourrait y avoir en se disant, bon, bah, ah oui, mais eux, ils ont grandi en Haïti, ils connaissent tout. Euh, non, t'as mon neveu. Mmh, oui. C'est comme ça que j'ai écrit le, le, le, poème euh, Timon de 6 ans, c'est qu'il avait à peine 6 ans et il allait défier mon oncle, ma tante, euh, sur les devinettes. Alors que c'est un petit, il n'est jamais parti en Haïti. Tous les ans, il va au Portugal, parce que c'est un métis euh, portugais haïtien. Euh, et, euh, et, là, avec les devinettes, bah, il, a, euh, il, était, il, déjà aussi, il était, il était, timide, mais il a un, un, petit côté timide. Mais avec les devinettes, bah, du coup, ça l'a plus, ça l'a ouvert et, euh, et ça a ça, il est par, il a pris confiance. Et je te dis, quand je le voyais aller défier mon oncle qui est gros. C'est un grand bonhomme, c'est un grand gaillard, mon oncle. Il va le défier, il va défier ma Matati sur les, les, devinettes. Je me disais, mais waouh, avec le sourire en plus, hein. avec le sourire. Ouais, moi je connais mieux que ah, toi et tout. Euh, et vraiment, et il est chaud. Et mon neveu, il est trop chaud sur les devinettes. Il est trop trop chaud. Et ça, je me dis, waouh, j'étais abasourdi. Abasourdi. Et, euh, et émerveillé surtout. Ah oui, non, mais effectivement, après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de je suis mieux. suis mieux que toi parce que moi je suis né sur place. Il n'y a pas de. Parce que mm. ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai. Enfin, euh, maintenant je suis plus grande, donc. Euh... Mais quand j'étais petite, c'est vrai que c'était. Euh... Je, je, devais sans arrêt, en fait, me... presque me justifier, quoi. Ouais. Euh, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, t'es né en France, tu connais rien, tu connais pas la Guadeloupe, en plus, tu sais pas parler créole. Je dis, ouais, mais hey, je vis en France, d'accord, mais mes parents, ils sont guadeloupéens quand même. Ouais, mais en plus, la culture, c'est. Enfin, la culture. C'est pas ça y est, que... ils se sont dénaturés, quoi. Enfin, ouais. Non, non, en plus, c'est vrai que enfin, la culture, ce que, tu dis, ce que tu dis, c'est totalement ça. C'est que la culture, c'est pas simplement d'être sur, sur le territoire voilà, ou d'être né sur le territoire. C'est comment on la fait vivre, en fait, tous les jours. Donc, ça va être, comme tu l'as dit, la ça. cuisine, ça va être le créole, ça va être euh, ce qu'on va connaître de l'histoire, de la géographie du pays, des habitudes locales, des liens qu'on va avoir. Enfin, c'est euh, la culture, c'est vaste. C'est pas que euh, on est né à tel endroit. C'est un, c'est un point, effectivement, qui a son importance. Mais euh, la culture, c'est, euh, ça va bien au-delà, quoi. Ouais, Mais après, c'est pour ça que, après, il y a peut-être des personnes qui vont pas apprécier que je dis ça. <laughs> Mais, euh, Attention aux détracteurs. Pour moi, il y a des, il y a des gens qui sont, qui, qui sont pas nés ou qui sont, qui n'ont, qui, a, qui n'ont pas grandi ou qui ne sont pas, on va dire, originairement de culture créole. Mm -hmm. mais qu'ils le sont plus à un moment donné que les gens qui, soi-disant, euh, <laughs> sont à fond, quoi. On donnera pas de euh, nom. parce que t'as... Pas de nom. T'as beau... Ah non, je... on ne cite, on ne cite pas. <laughs> Nous pas nommer nom. <laughs> non, mais voilà, tu, tu, peux être né dans le, tu peux être né dans le pays, mais ne rien connaître. Mm. Euh, c'est à, tu peux être en Guadeloupe, ok, mais euh, si t'as pas quitté ton quartier de Pointe-à-Pitre euh, que tu es là non-stop, que tu n'as jamais, ouais, que as jamais quitté ton quartier, peut-être que tu parles créole et, euh, et, que tu vas manger ton petit pois rouge tous les dimanches, ok, mais <laughs> il n'y a pas que ça, quoi. Mm. Donc euh, pour moi, il y a des gens, des fois justement, qui, qui débarquent en Guadeloupe, si je peux dire ça comme ça, mais qui sont plus guadeloupéens qu'un guadeloupéen qui est sur place. <laughs> Euh, parce que justement, ils s'imprègnent vraiment de la culture, mais dans sa globalité. Ouais. Donc il y, y, a des gens justement bah, qui, qui, parlent peut-être, euh, qui, qui, sont originaires d'ailleurs, qui arrivent en Guadeloupe, qui parlent dix fois mieux le créole que moi, euh, qui vont peut-être cuisiner euh, encore mieux que moi. Et, et, moi, je trouve ça super. Mm. Je, je, trouve ça super. Ça veut dire que la personne, elle a tellement... Parce que Après, je, je, je, parle des gens qui, qui n'oublient pas non plus d'où ils viennent. Hein. C'est pas genre euh, <laughs> je quitte chez moi pour arriver chez toi et pour oublier tout ce que je suis. Non, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est je viens avec mes bagages, avec mon passif. Mais après, là, je viens sur, euh, sur, euh, sur un, un autre territoire. Là, je vais, je vais parler comme ça, mais j'arrive sur un autre territoire et je, je m'imprègne de la culture locale. Et mm. du coup, je, je, je, fais partie intégrante de cette culture locale. Ouais, ouais parce que c'est le ça, fait qu'on puisse. Moi, je euh, trouve ça génial. Sans oublier d'où je viens, ou je sais pas, moi, mm. je suis, si je suis, euh, je sais pas euh, quelle, quelle tradition je peux connaître euh, d'ailleurs, mais j'ai n'importe quoi. Si un Écossais, il arrive en Guadeloupe, il commence à parler en créole et tout, il, euh, <coughs> il suit les traditions locales, euh, il enfin, voilà, il s'imprègne de la culture locale sans oublier qu'il est écossais. C'est-à-dire que chez lui, euh, ben, il va parler écossais, euh, il, va, il, va, euh, il va manger euh, des choses de chez lui, il va manger des choses de la Guadeloupe, mais il va aussi manger des choses de chez lui. Euh, il y aura en Écosse, il y a la Saint-Patrick. Ben, chez lui, il va fêter la Saint-Patrick, mm -hmm. mais il va fêter aussi, euh, il va fêter aussi, il va faire le carnaval. Euh, voilà, pour moi, c'est ça. Oui, parce que c'est vivant ça, en fait. La, justement, la culture. La culture, c'est vivant, c'est un euh, partage. Ouais, tout à fait. C'est vivant, est pas, ça, on ça pas bouge. Fermé, on n'est pas fermé dans un truc. Euh, du coup, euh, moi, je suis là, donc moi, je sais. Moi, j'ai la culture. Toi, t'es ailleurs. Tu connais pas. Toi, t'es, toi, es autre chose. Toi, en fait, on sait même pas ce que t'es. En fin de compte. <laughs> ouais. Non, non mais c'est ça, c'est que c'est carrément ça. C'est que la, euh, la culture, et notamment la langue, mais euh, enfin, la culture au sens large, on parle aussi, de, on parle beaucoup de langue vivante. Le créole, c'est une langue vivante. Et, euh, et du coup, c'est vraiment géométrie variable. Euh, ça, ça, évolue, on peut l'étudier, on peut l'embrasser et, euh, et, du coup euh, la valoriser quoi. Et même se valoriser aussi euh, bah, soi-même individuellement et la valoriser aussi tout court, euh, du coup au, au, sens plus large quand on la partage. Donc oh. c'est quelque chose de, de, tout à fait, c'est pas figé et, de, et de réellement vivant quoi. Bah, du coup... La culture évolue, ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas. Ça évolue. Il y a aussi ouais. des personnes qui restent figées sur le passé. Euh, la culture évolue. <laughs> elle évolue, donc ouais, elle évolue, elle nous accompagne. Elle est contemporaine, elle n'est pas que euh, figée euh, dans le temps, effectivement. Elle est, elle est contemporaine, quoi. Euh, du coup, euh, bah, je te remercie beaucoup pour euh, cet échange. Est-ce que tu aurais euh, un mot de la fin euh, pour nous parler de, de Moon Fashion, un proverbe que tu aimes bien euh, C'est à toi. Alors, bah, par, par, rapport à All Moon Fashion, effectivement, j'ai mon petit proverbe par rapport à... Bon, moi j'ai utilisé le terme d'échec. <laughs> tu m'as reprise. <laughs> tu m'as reprise. Euh, mais moi, mon proverbe, justement, par rapport à ça, c'est Sakila Baud Lopakashayi. Mm. Donc, ouais. euh, all... Merci un pile, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Voyageons local, les discussions. Retrouvez la boutique All Moon Fashion sur Facebook, Instagram, ainsi que le blog sur le site internet allmoonfashion.com. Merci un pile. Voyageons local, quelques mots et le voyage commence.